Fidèles auditeurs et auditrices des médias partenaires de Studio Kalango, bonsoir et bienvenue à ce numéro de forum du Studio Kalango, l'émission qui vous permet de mieux comprendre des questions d'actualité et de société que vous vous posez au quotidien. Quelle contribution des parents d'élèves dans la gestion des établissements scolaires publics du Niger est notre thème de ce soir. La loi d'orientation du système éducatif de juin 1998 portant orientation du système éducatif nigérien dispose à son article 60 que le financement de l'enseignement et de la formation dans les établissements publics est assuré par l'État, les collectivités, les familles et toute autre personne physique ou morale. La même loi confie dans la répartition des charges les fournitures et l'entretien des écoles aux familles. C'est ainsi qu'il est demandé chaque année aux parents d'élèves des écoles publiques du Niger, une contribution financière annuelle dont le paiement reste cependant réglementé. Quelle est la réglementation en vigueur dans le cadre du paiement de ces cotisations des parents d'élèves au profit des écoles publiques bénéficiaires Quels sont les défis à relever pour une meilleure collaboration entre parents d'élèves et chefs d'établissement scolaire dans le cadre du paiement de ces cotisations annuelles pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio M. Lawali Abdo, directeur d'appui à la gestion des établissements scolaires au ministère de l'Éducation nationale. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Notre euh, deuxième invité est monsieur Mamadou Baba Touré, il est le représentant de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants. Monsieur Mamadou Baba Touré, bonsoir. Bonsoir. Notre troisième invité est en ligne au téléphone. Il s'agit de Monsieur Ibrahim Abdoulaye qui est le représentant du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN. Monsieur Ibrahim Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir, monsieur Michel Deji à la modération de ce forum. Je suis Michel Dégis. dans la perspective de l'intégration des parents d'élèves dans la gestion des écoles publiques, le ministère de l'Éducation nationale a pris l'arrêté numéro 000192 au bar ME BA bar SG du 15 novembre 2006 portant création, attribution, composition et fonctionnement des comités de gestion des établissements scolaires COGES. Un arrêté modifié la même année dans le but de la mise en place des comités de gestion décentralisés des établissements scolaires CGDES a été également pris. Monsieur Laoli Abdo, directeur euh, d'appui à la gestion des établissements au ministère euh, de l'Éducation nationale, Rappelez-nous tout d'abord euh, quels euh, étaient les objectifs visés à travers la création de ces différentes structures, les COGES euh, ainsi que les CGDES. Merci, Monsieur Michel. Les CGDES et les COGES, je dois vous dire, sont des comités de parents d'élèves qui sont chargés d'appuyer la gestion de l'école. Mm. Euh, au niveau du... CGD, c'est au niveau du primaire. Voilà, c'est ce que j'allais préciser. Mhm. Au niveau du primaire, on dit comité de gestion décentralisée euh, des établissements scolaires. et au niveau euh, du collège, et lycée, mhm. vous avez le COGES, le comité d'organisation de gestion des établissements scolaires, mhm. au niveau secondaire. Et ils ont plus ou moins la même composition, sauf que du point de vue du nombre de membres, au niveau du CGDS, vous avez sept membres. Et au niveau de, de COGES, vous avez neuf membres. La différence vient simplement au niveau de COGES, on a ajouté un membre de l'administration euh, et plus encore un deuxième membre au niveau euh, des, des, des, élèves. Ce qui fait que, bon, ils sont euh, on a, amené ça à neuf pendant que de l'autre côté, c'est sept membres. Et la composition, c'est trois membres de l'association des parents d'élèves, euh, un membre de l'association des mères éducatives, le directeur d'école. Mhm. Vous avez un enseignant mhm. et vous avez un élève mhm. ce qui fait euh, les sept membres. Maintenant, au niveau des COGES, c'est Maintenant, au niveau des c'est neuf membres. On a la même, Vous avez composition, la même composition. Mais il faut e, ajouter. voilà, auquel il faut ajouter euh, un membre de l'administration au niveau secondaire et euh, un deuxième membre élève, mhm. ce qui fait donc au total le neuf. Le neuf. Oui. Mhm. Mais les membres du bureau de part et d'autre, c'est trois membres du mhm. bureau. Parce que indépendamment des autres membres, il y a le bureau qui est composé euh, du président, du secrétaire général et du trésorier. Les CGDS et les COGES ont été institués euh, pour un peu rejoindre ce que dit la loi sur le partage du coût. Mhm. La loi d'orientation du système éducatif nigérien de 1998 mhm. euh, a effectivement parlé du partage du coût. Mhm. Et c'est à ce titre que, euh, dans les arrêtés d'application, on avait institué les CGDS et les COGES. Et donc, c'est là-bas qu'ils tirent leur légitimité. Et donc, euh, ces trois membres-là dont on parle, le président, puisque c'est une gestion communautaire, c'est la participation de la communauté, le président doit être un parent d'élève. Mhm. C'est-à-dire que ça ne doit pas, on ne doit pas, ça ne doit pas être le représentant de l'administration, mhm. encore moins le, représentant euh, du directeur ou le directeur lui-même. Mhm. Donc le président d'office est un euh, membre de la communauté. De même le trésorier. Mais maintenant, pour le secrétariat, puisqu'il s'agit parfois d'écrire, puisque vous pouvez trouver un président euh, qui n'écrit pas, mais qui ne sait pas écrire. Ça peut arriver parce que c'est la communauté, mm. mais euh, généralement on prend par exemple le secrétaire général, mm. l'enseignant. Mm-hmm. Euh, c'est pour vous montrer quand même que la gestion revient à la communauté. Mhm. Voilà, c'est un peu ça euh, la composition. Monsieur Mamadou Baba Touré, représentant de l'Association nationale des parents d'élèves euh, ANP, on l'a rappelé, c'est la loi d'orientation du système éducatif de juin 1998 qui prévoit ces dispositions. Cette loi portant orientation du système éducatif nigérien dispose en effet à son article 60 que le financement de l'enseignement et de la formation dans les établissements publics et assurée par l'État, les collectivités, les familles et toute autre personne physique ou morale. Cette même loi vous donne euh, donc euh, la charge euh, en ce qui concerne les fournitures et l'entretien des écoles. Vous, c'est-à-dire les familles, c'est ce que la loi a prévu. Quelle analyse faites-vous de ces dispositions prévues dans la Lausanne Merci, et mm. Monsieur Michel. Ces comités permettent aux parents de suivre voir ce qui se passe dans la gestion des établissements scolaires. Donc, suite à ça, il y a eu l'implication des parents dans les différents organes du COGES. Comme il vient de, le dire, monsieur le directeur, la présidence revient généralement aux parents et la théologie revient généralement aussi aux parents. Donc, euh, suite à ça, les parents font de leur mieux pour voir qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qu'il doit, qu'est-ce qu'il doit apporter comme contribution pour que l'école marche. Et suite à ça, il y a des contributions, il y a des consultations que les parents organisent en début d'année pour faire avec l'administration, voir identifier les différents problèmes qu'il y a autour de l'école et voir comment solutionner ces problèmes. Donc c'est là où on amène la contribution des parents. Donc on fait le coup de toutes ces difficultés-là et on partage par le nombre des élèves qu'il y a dans l'école. Hum. C'est à ce moment qu'on demande aux parents et le montant que les parents vont contribuer pour la bonne marche de l'école et pour qu'il y ait un, enseignement de qualité. Et un suivi aussi doit être fait sur le terrain par ses membres. Donc, les parents vraiment euh, font tout jusqu'à présent pour participer à cette euh, gestion dans les mhm. établissements. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous saluez en réalité. Le fait qu'on ait ces comités, ces GDS au primaire, COGES euh, au collège. Bien sûr, les mhm. parents euh, vraiment sont vraiment contents. Les parents ont accepté mhm. ces comités. Et les parents... Comme étant une bonne chose Comme une bonne chose dans la gestion des établissements scolaires. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, sans ces comités-là, il y a beaucoup d'écoles qui ne vont pas démarrer le cours à temps, à la rentrée. C'est ces comités-là. Parce qu'il y a parfois des besoins. Il y a beaucoup de besoins dans les mhm. établissements. Parfois la construction des classes La construction des classes en pas de classes euh, matériaux et tout et les tables bancs. Les tables bancs. Oui, et puis les fournitures même. C'est vous qui les achetez à travers le COGES. À travers le on verra ça plus en détail parce que l'État achète également des tables Oui, l'État achète des tables bas, mais les, on, les on verra en fait euh, comment ça fonctionne mm. dans un instant. Merci beaucoup. Monsieur Mamadou Babatouré, représentant de l'Association nationale des parents d'élèves euh, (ANPE). Monsieur Ibrahim Abdoulaye, représentant du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Quelle place occupent euh, les élèves donc que vous représentez dans la gestion de ces comités de gestion des établissements scolaires COGES ainsi qu'au niveau des comités de gestion décentralisés des établissements scolaires CGDES? Merci beaucoup, Monsieur Michel Déji, pour cette occasion que vous nous avez donnée de nous exprimer par rapport à cette thématique très importante de la gestion de nos établissements. Et bien évidemment, les scolaires, et selon les textes, n'est-ce pas, qui régissent le fonctionnement de ces comités, les scolaires ont un rôle euh, prépondérant à jouer dans le cadre également euh, du bon fonctionnement de ce comité. Mmh. Vous savez, le directeur euh, l'avait rappelé dans ses propos introductifs. Il a rappelé en tout cas tout ce que les textes ont prévu relativement et, à la gestion du, du COGES. Les textes de notre pays ne souffrent pas ou bien ne souffrent d'aucune ambiguïté, mais souvent c'est au niveau de l'application que nous voyons ou que nous constatons des failles par-ci et par-là. Nous, à notre niveau, au niveau du Conseil des étant les représentants de l'ensemble des scolaires nigériens, nous avons à maintes reprises décrié un certain nombre de manquements par rapport à, à, cette question du projet ou bien des de, de, de Ça veut dire que si on vous comprend bien, M. Ibrahim Abdoulaye, vous trouvez également, comme l'association des parents d'élèves, que c'est une bonne chose, mais il y a des manquements des choses à corriger, c'est ça Oui, oui, à partir euh, du moment où nous savons tous que l'État à lui seul ne pas tout faire. Mhm. Souvent, pour atteindre l'État, pour décaisser de l'argent, l'interadministrative administratif que nous constatons dans notre pays impacte dangereusement mhm. le et les bons fonctionnements de nos écoles. Surtout au niveau décentralisé, puisque le territoire est très vaste. 1 267 C'est pourquoi, en tout cas, nous, à notre niveau, nous saluons l'institution n'est-ce pas, et, de, de, ce comité, hum. parce que ça vient à renfort, n'est-ce pas, aux efforts aussi de, de l'État. Hum. Maintenant, ce que je vous ai dit, ce n'est pas les textes qui souffrent d'un problème, mais plutôt leur mise en application qui constitue des véritables problèmes pour, pour nous. Hum. Parce que nous avons constaté beaucoup de manquements par rapport eh, eh, à, à, à, ces questions, chose qui nous a poussés, et le mois de le mois le, le, le 7 mai 2022 a adressé une lettre à l'ensemble de ces comités pour leur dire dorénavant pour que nous en tout cas scolaires nous puissions avoir que nous puissions voir clair par rapport à, à, à, à, à ces comités de gestion il va falloir dorénavant au lieu de permettre au, directeur de l'école de partir prendre son enfant pour mettre pour faire même basse les ressources qui sont récoltées, les ressources qui doivent normalement et partir au, fonctionnement de, l'école, des ressources qui doivent aller, n'est-ce pas, peut-être et, à la construction des, des paillotes, à la réhabilitation des tables bas, à l'achat, n'est-ce pas, des, des, à l'achat des bics, etc., etc., au manuel, euh, et mhm. grosso, modo. Donc, mhm. c'est pourquoi dans notre lettre du 7 mai 2022, nous avions dit dorénavant, pour éviter, pour éviter tous ces manquements, il va falloir directement impliquer les représentants attitrés des élèves. On vous comprend bien, il faut préciser que quand on dit que les élèves sont présents au niveau des CGD, et des COGES, on ne fait pas appel à vous en tant que USN, c'est au niveau des écoles qu'on essaye de mettre tout en place, c'est ça niveau, Souvent, dans beaucoup, dans, beaucoup, dans beaucoup de contrées de notre pays, pour faire une gestion pas démocratique, n'est-ce pas, les directeurs, je vous dis, c'est d'ailleurs dans beaucoup d'endroits, ce n'est même pas c'est que les textes ont prévu du point de vue présidence de ce comité qui est, qui, est, qui est fait. C'est le directeur de l'école qui est le président, c'est le, le de l'école qui nomme celui qu'il veut, euh, c'est lui, n'est-ce pas, qui fait en sorte Oui, mais souvent les directeurs, ils disent qu'ils choisissent euh, des élèves intelligents, des élèves qui travaillent bien, donc euh, soucieux de beaucoup de choses, en fait à partir du moment, les élèves, les élèves qui travaillent bien, les élèves qui ont peut-être euh, un esprit critique, c'est également des élèves qui ont eu la confiance de leurs camarades pour les représenter. Mhm. Ça, c'est, ça, c'est évident. C'est des gens où nous savons qu'ils n'aiment pas la contradiction. Alors, pour que l'école marche, il faut qu'il y ait une contradiction positive. Mhm. Lorsque nous, nous, avons dit à notre niveau que les membres du bureau ou un des membres du bureau des, des, des sous-sections ou bien des sections qui sont dans ces comités, il ne va pas, en tout cas, au vu du fait qu'il y a celui fermer les yeux et que l'argent est destiné, n'est-ce pas, aux, aux, œuvres qui sont claires, puisse être euh, détourné pour un autre objectif. Merci beaucoup. On a compris donc euh, vos inquiétudes, Monsieur Loli Abdo, directeur d'appui à la gestion des établissements au ministère de l'Éducation nationale. Pour comprendre ces inquiétudes, il faut d'abord parler de la réglementation en vigueur. Quelle est cette réglementation dans le cadre du paiement, par exemple, de ces cotisations, puisque c'est à ce niveau que ça devient très important pour les parents qui nous écoutent parce qu'eux ne comprennent qu'au geste qu'à travers ces cotisations. Merci vraiment. Euh, je remercie euh, le représentant de l'ISN mhm. euh, qui a bien joué ce rôle et d'ailleurs leur rôle aussi, c'est de veiller à ce que mhm. euh, les ressources mises à la disposition de l'école soient bien gérées. La transparence. Pour cette raison qu'ils euh, ils sont membres du droit au mhm. niveau de, ce comité. Ils sont, membres, ils sont du membres droit, du droit. Mais en réalité, c'est qu'ils estiment qu'on ne fait pas appel à l'USN parce que c'est au niveau de l'école qu'on Oui, c'est au niveau de l'école. Normalement, c'est mhm. leur membre qui, qui doit leur remonter l'information. Euh, Puisqu'il y a leur membre. Au niveau du collège et du lycée, quand même, il y a des comités exécutifs de l'USN, le oui, donc normalement. c'est eux qui représentent, la réalité. Oui, c'est le sommet, parce que c'est ça au moins eux. Voilà, donc l'information aurait dû mm. normalement. Alors qu'apparemment, selon ceux qu'il l'expliquent, ce ne sont pas les membres du comité exécutif des écoles qu'on choisit pour être dans les COGES, en fait. Bon, enfin, je ne peux pas euh, euh, certifier ce qu'il a dit, mhm. mais toujours est-il que euh, tout normalement, les élèves sont leurs militants. Mhm. Maintenant, selon qu'ils soient membres euh, du désigné du comité exécutif, de l'école mhm. ou pas, ça vraiment, nous ne pouvons pas dire que forcément, il faut prendre un membre. Parce que les mhm. textes n'ont pas dit. Les, textes, ont dit simplement mhm. un représentant, des, élèves. Mhm. voilà, et ça pose un problème qu'il a expliqué. on va avancer. Maintenant, la réglementation en vigueur en général, euh, qu'est-ce qu'elle dit par rapport au paiement de ces cotisations Vous savez. Euh, C'est-à-dire ici, quelle est la somme d'argent à verser par élève du primaire et du secondaire chaque année dans le cadre euh, de ces cotisations Très bien, merci. Vous savez. Euh, toute cotisation est liée à l'existence d'un plan d'action. C'est-à-dire aucun établissement, aucune école ne peut pas s'élever pour dire que euh, j'impose euh, tel montant mmh. de cotisation aux parents. Mmh. Non, c'est lié à un plan d'action. Et le plan d'action, il a un cheminement, mmh. c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases pour l'élaboration d'un plan d'action. Il faut d'abord qu'il y ait l'adhésion des parents. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a un travail d'identification du problème au niveau de l'établissement. Mmh. Quelle, sera notre contribution C'est à en agit, que les parents identifient les difficultés de leur école mmh. et de voir leur participation. Ça peut être la construction des classes, ça peut être, ils ont des classes, ils n'ont pas besoin de classes, ça peut être l'organisation des cours d'appui. Mmh. En tout cas, quelque chose qui constitue un problème et auquel ils veulent apporter la solution. Maintenant, s'ils identifient le problème, quels sont les moyens qui nous permettront de résoudre ces questions-là. Mmh. En ce moment-là, ils font le, travail de planification. Mmh. Ils essaient de voir, par exemple, à supposer que c'est c'est 50 000 qui va résoudre le problème. Si on va faire ci, on va faire ça, c'est 50 000. Mmh. C'est un exemple que je prends. Maintenant, on regarde au niveau des, des, membres. Nous avons combien d'élèves Et c'est en ce moment-là, on fait la répartition pour collecter les 50 000 et venir résoudre le problème de l'école. Et c'est leur contribution comme ça. Ça, c'est ce qui fait que par exemple, si aujourd'hui un établissement a besoin de 50 000, un autre pourra euh, avoir besoin de plus que ça. Dans le montant, Dans le montant selon les besoins. Selon le plan d'action élaboré mhm. et selon ce que le, CGDS ou le COGES a entrepris de faire. Mhm. Et c'est ça, c'est ce coût-là. Il faut une estimation du coût qu'ils répartissent chez les membres. Mais est-ce qu'il y a un minimum et un maximum à ce niveau euh, Parce que bon, certains parents souvent ils disent qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour payer. En fait, tout ça là, c'est pas normalement c'est même ensemble avec tous les membres des parents parce que c'est à nager qu'on oui, Ils ont des représentants, mais les représentants, c'est souvent trois parents. Non, oui, pas Lui, il peut avoir de. Il y a une assemblée générale des parents il y a une assemblée où on convoque les autres parents, <coughs> où on fait cette planification là, mhm. où on valide, où les parents disent qu'ils sont d'accord que nous, nous, faire pouvons euh, faire C'est vrai, on constate que parfois on donne ces convocations aux élèves pour leur dire euh, de les apporter aux parents pour participer à ces genres de rencontres. Et normalement, les, les parents doivent aller mhm. pour dire oui, nous sommes d'accord pour faire ça, mhm. non, nous ne sommes pas d'accord pour faire ça. Et en ce moment-là, ça les engage. Ils ont même intérêt parce qu'on parle aussi d'autres problèmes des élèves, des élèves le problème de clôture, l'insolence, le retard, tout pour tout simplement dire mhm. que les cotisations, les cotisations sont arrêtées par les parents. Mhm. C'est validé, c'est eux qui acceptent qu'ils vont faire telle activité mhm. et le coût de telle activité, c'est tant. Et ils répartissent maintenant les fonds au niveau de chaque élève que chaque parent doit, doit verser. Ce qui fait que, vous voyez, j'ai entendu à la rentrée, on a exigé la distribution des fournitures, l'acquisition des fournitures mmh. par le paiement de cotisation. Non, en ce moment-là, il n'y a même pas de cotisation. Mmh. En octobre, il n'y a pas de cotisation à la rentrée les cotisations. les parents qui n'ont pas payé l'année précédente, on verra ça dans les détails, monsieur le réalité, directeur, parce qu'on a l'impression qu'il y a de l'exagération. Parce qu'on a vu la note du ministère de l'Éducation nationale que vous représentez justement, qui demande à ce qu'on ne demande, on n'exige pas des élèves ou de leurs parents euh, ces cotisations à la rentrée et de les conditionner je, par le paiement. Je vais vous dire une chose. La distribution des fournitures. Je vais vous dire une chose. Aucun responsable de l'établissement mhm. n'a le droit d'exiger une cotisation. Mhm. ce n'est pas son travail. Mhm. Si je dis bien, ce n'est pas son travail, et je répète bien, ce n'est pas son travail. Mhm. Aucun responsable. Ici, euh, quelqu'un le fait, la communauté n'a qu'à le dénoncer. Ça, c'est une organisation des parents d'élèves. C'est le président, le trésorier, il n'est pas le directeur d'école. Il n'est pas le directeur d'école. Le trésorier est désigné parmi les membres de communauté. Et donc c'est lui, qui reçoit les cotisations C'est lui qui, reçoit les cotisations. Le directeur ne reçoit non, rien. Non, non, non, le, mhm. directeur, ça c'est une ingérence. Mhm. C'est une ingérence, le, directeur n'a pas droit. Le directeur c'est un membre. Peut-être parce que c'est lui que tout le monde connaît, donc les gens ont de lui. Si c'est lui qui parle, on va payer. Justement, on n'a pas programmé que la mm-hmm. communauté soit gérée de cette manière-là. Mm-hmm. C'est une adhésion, c'est sa participation à, elle, mm-hmm. c'est sa contribution. Il n'est pas donné à quelqu'un sous réserve, enfin, parce que tout simplement, il est influent et qu'il a peut-être des petits moyens de, de, chantage pour dire que non, c'est moi qui dois faire le, recouvrement. Non, il n'a aucune qualité pour faire le recouvrement, puisqu'il n'est pas le trésorier. Le président, le président, il est aussi issu de la communauté. Donc, franchement, il faut que euh, les, les, communautés, les populations comprennent que ce n'est pas de son droit d'exiger quoi que ce soit. je suis en train de dire que les cotisations, on ne peut commencer à demander la cotisation qu'en fin du mois d'octobre et en début du mois de novembre, lorsque les plans d'action école ont été validés. Tant qu'il n'y a pas validation par, la communauté, hein, par la population, par les, parents d'élèves de l'établissement qui ont accordé, qui ont euh, accepté de payer ces cotisations, on ne doit pas faire, on doit pas exiger une cotisation quelconque. Mhm. Et les montants pour euh, aussi euh, finir diffèrent simplement que un établissement peut avoir plus d'ambition à faire beaucoup d'activités pendant qu'un autre peut avoir moins d'activités à faire et en ce moment-là, le mhm. montant euh, réparti au, sein des membres diffère en fonction mhm. de l'entreprise, euh, au niveau. Donc, monsieur le directeur, euh, la réglementation n'a pas prévu de maximum. Par exemple, si euh, une école décide de faire un plan ambitieux, on peut demander aux parents de contribuer à hauteur de 5 000. ça arriver. C'est les parents eux-mêmes qui décident de ça. Hmm. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir dire non, non, vous faites ça, vous faites ça. Non, non. Ça, hmm. c'est eux-mêmes, enfin, c'est les, les, parents eux-mêmes. Ça veut dire difficultés de l'école, qui propose de mener des activités est mhm. ça. Merci beaucoup, M. Loli Abdo, directeur d'appui à la gestion des établissements au ministère de l'Éducation nationale. M. Mamadou Baba Touré, représentant de l'Association nationale des parents d'élèves. Est-ce qu'au niveau de l'Association des parents d'élèves, il vous arrive euh, de recevoir des plaintes de parents d'élèves qui ne sont pas d'accord euh, avec ces cotisations euh, des CGDS et des COGES Merci. Les plaintes ne finissent pas Mm-hmm. Mais avant de vous répondre, je voudrais revenir un peu en arrière. Les parents d'élèves, il faut une AG. Mm-hmm. À l'issue de l'AG, ils désignent les trois représentants. Mm-hmm. C'est pas, on ne se lève pas un jour, on dit c'est un tel, c'est un tel. C'est au, moment de l'AG, on désigne les trois représentants, et suivi d'un PV. Maintenant, les, les, les, enseignants de l'établissement, eux, ils s'organisent à une réunion, ils désignent un représentant, suivi d'un PV. Maintenant, l'administration, eux aussi, se réunissent, ils désignent un représentant avec un PV. Mhm. Maintenant, eh, les élèves, ils se réunissent, ils désignent un représentant de la sous-section, mhm. lycée, collège, au niveau de l'école, mhm. plus un représentant des responsables des classes. C'est ça qu'ils font, généralement. Et maintenant, ce sont les deux-là, un garçon et une fille. Ce sont eux qui vont intégrer le comité. Ça veut dire que l'USN est représentée, vos pensées Elle est représentée, contrairement mais, à ce Mais malheureusement, mhm. c'est qu'on constate, il y a des abus des responsables des établissements. Mhm. Parfois, les abus, euh, les, responsables des établissements font le choix des élèves qui vont intégrer les comités. Mhm. Ça, on, le constate partout. Ça veut dire que c'est des abus, au niveau des chefs d'établissement. C'est eux qui ne respectent, pas, la réglementation. Donc si, on respecte la réglementation, oui. Euh, la revendication du représentant du CDUSN est ah, prise en compte. Elle est prise en compte. Mhm. Parce que vraiment, on a constaté dans plusieurs établissements que les responsables d'établissement, ils choisissent eux-mêmes les gens qui vont aller dans les bureaux. Même au niveau de, de l'association des parents d'élèves. Il y a des établissements ou en ne trouve pas la des, des, parents d'élèves. Ils vont directement mettre le bureau du COGES. Normalement, pour mettre le bureau, il faut mettre un bureau des parents d'élèves. Mhm. Mais ils contournent pour mettre un président ou bien ils cherchent quelqu'un pour désigner président des parents d'élèves, président du COGES, pour qu'il soit leur complice mhm. dans la gestion. Et malheureusement aussi, nous, même les parents, on fait du faux pas, parce qu'il y a certains qui ne respectent pas la réglementation, il y a certains qui abusent aussi, en complicité avec les responsables de l'établissement. Mhm. Voilà comment ça se passe. Ça veut dire que tout ça, vous-même, il vous arrive de dénoncer Oui, on, a dénoncé, on dénonce chaque fois. Mhm. dénonce chaque fois. Et par rapport euh, à la planification, comme a dit monsieur le directeur, généralement, les textes n'a pas de problème. C'est l'application qui pose maintenant problème. Mhm. Parce que en début d'année, le comité doit se réunir avec des responsables de l'établissement et mettre un comité qui va identifier les problèmes de l'école. Mhm. Et c'est le comité qui identifie les problèmes de l'école. Il le soumet maintenant au groupe comité de gestion, mm. le bureau. Le bureau étudie ce projet, c'est un projet, maintenant il, amènent ça à un projet de, plan d'action. Il étudie le projet de plan d'action. Ils le soumettent maintenant au bureau de parents d'élèves. Ensemble, ils voient et ils convoquent une assemblée générale des parents d'élèves. Et tous les parents d'élèves vont venir. Maintenant, c'est mm. l'assemblée générale des, parents d'élèves qui va valider ces plans d'action. Ce qui au départ, c'est un projet. Mm. Maintenant, ils vont valider, amender, et l'Assemblée générale peut refuser la programmation du comité. Pour dire que nous, on peut pas, s'il si faut payer 3 000, l'Assemblée générale est souveraine, elle peut dire qu'elle ne peut pas payer 3 000. Mhm. Mais malheureusement, ce qu'on constate, nous-mêmes les parents, parfois, on a démissionné. Quand on convoque une Assemblée générale des une école, les parents ne répondent pas. Mhm. Mais, comme vient de dire le monsieur le directeur, les habits on constate, les chefs d'établissement, de certains établissements, ils se font maîtres. Ils deviennent présidents il devient secrétaire général, il devient trésorier. Il prend l'argent, il dépense l'argent et ils font tout. Mmh. Et surtout encore, là où on constate euh, trop les manquements, vous n'êtes pas sans savoir, ça fait pas un mois, l'association de parle à travers notre président, nous avons sorti euh, une interview par, euh, au niveau de l'ORTEN, mmh. où on a vraiment décrit tous ces, ces comportements-là. Et on dit qu'un enfant transféré, si un enfant est transféré, il vient dans un établissement, on ne peut pas l'arrêter, il faut qu'il paye le COGES. Pendant ce temps-là, ils n'ont pas fait le projet de plan d'action. Mhm. On dit, on prend l'ancien montant de l'année passée, si c'est 2000, il faut que l'élève paye le 2000 francs avant qu'on l'arrête. Vous trouvez ça illégal C'est illégal. Mhm. C'est illégal. Le directeur a expliqué qu'il faut un plan d'action. Il faut un plan d'action. Donc novembre, euh, fin octobre, voire novembre. Si Et dans tous les cas, si on accueille l'enfant, ses parents pourront payer plus tard, c'est ça comme les autres enfants. Normalement. Mhm. Normalement. Mais ce qui se passe, et ils prennent les 2000 francs. Maintenant, si on fait le projet de plan d'action et le montant revient à 1500, mhm. comment ils vont faire Ou bien le montant est revenu maintenant à 3000, comment ils vont faire Parfois, les parents, eux, ils pensent même que c'est les frais du transfert, les 2000 francs. Alors que c'est c'est comme le parent, il veut que enfant, son, enfant, il veut que son enfant soit dans l'établissement, il ne dit rien, il, paye tout simplement. Mhm. Quand on décrit, on dit que certains disent que avec quoi l'école va fonctionner. Mhm. Normalement, un comité de gestion doit avoir des, stratégies. Merci. On vous a bien compris. Nous entamons à présent la dernière partie du forum de Studio Kalangu de ce soir, portant sur le thème Quelle contribution des parents d'élèves dans la gestion des établissements scolaires euh, public euh, du Niger. Et c'est pour à présent parler justement des défis à relever pour une meilleure collaboration entre parents d'élèves et chefs d'établissement scolaire dans le cadre du paiement de ces cotisations annuelles euh, notamment. Monsieur Ibrahim euh, Abdoulaye, représentant du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, selon vous, quels sont ces défis qu'il y a lieu de relever Moi, je pense que le premier défi à relever, c'est le défi d'asseoir un dialogue par rapport à la manière par laquelle, n'est-ce pas, certains, certains chefs d'établissement dévient totalement la question du projet pour un autre euh, ou une autre fin. Une fois cela, je pense que la confiance va s'installer et, au vu du plan d'action qui est retenu, nous pouvons nous jouer un autre rôle, celui qui consiste d'abord à, à, motiver, à motiver nos camarades en faisant quoi En faisant des sensibilisations et classe par classe pour mm. leur, pour leur demander, voilà en tout cas l'école manque de ceci, de cela, et il faudrait que dans le cadre de notre perception de l'école étant comme un contrat social, où c'est une affaire, c'est vrai, de l'État, une affaire de, de, de, la communauté, etc., etc. Et il faut demander à nos parents de mettre la main dans la poche pour vous donner l'argent et amener mettre dans la caisse de gestion de nos établissements. Là, ça nous permettra en tout cas d'aller vite de résorber les, problèmes, de créer les conditions à ce qu'on dise qu'on ne va pas attendre que les choses viennent du ministère pour que ça aille de, l'avant. Nous savons qu'il y a des besoins qui sont présents à l'école qui ne nécessitent pas à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, une, une, une, une lanterne. C'est tout ça là, en tout cas, nous, nous pensons que si toutes ces conditions sont réunies, il n'y a aucun problème par rapport à cela, parce qu'aujourd'hui, nous, nous nous soucions de notre académie. Nous savons qu'aller à l'école est quelque chose de capital pour nous. Parce que si euh, notre pays, par exemple, est à la tête des, et, souvent classé dernier des, du monde, c'est parce que tout simplement notre système éducatif est défaillant. Mhm. Donc pour que ce système éducatif cesse d'être défaillant, il faut vraiment la participation de tous les acteurs de l'école. Il faut créer les conditions à ce que les textes en vigueur puisse être respectée par tout le monde et par tout, que ça, que ça soit au niveau de toutes les chaînes. Et je crois bien qu'il n'y a pas de problème par rapport et eh, à cette question et que la stabilité puisse régner, en tout cas, sans pour autant qu'il y ait des problèmes. Une précision peut-être pour finir de ce que le, les représentants de, la, de, de, l'association des parents d'élèves a dit. Ici, c'est dans la capitale. Dans la capitale même, nous avons recensé beaucoup de problèmes par rapport à la représentation eh, légale des, des, différents membres des sous-sections du comité exécutif des établissements. Hum. Ah, rien que rien que hier, parce que ça c'est une question nationale, rien que hier, la section lycée et collège des Andes eh avait fait un communiqué de presse rappelant au comité de gestion des Anders 1 et Anders 2 de respecter en tout cas nous, ce que nous avons rappelé, la, note du comité directeur du 7 mai 2022, faisant cas de prendre en compte dorénavant les représentants des scolaires dans ces comités pour qu'il y ait vraiment une gestion transparente pour qu'on puisse vraiment créer les conditions à ce que les élèves amènent la contribution de leurs parents et résorber les problèmes qui sont identifiés pour la bonne marche de l'école. Mais vous qui représentez les élèves, que recommandez-vous par exemple au chef d'établissement lorsqu'un parent d'élève dit qu'il n'a rien pour pouvoir participer aux différentes cotisations C'est vrai, c'est vrai, il y a des parents en nous lorsque l'enfant revient à la maison pour dire qu'on a exigé de lui, n'est-ce pas, de payer les, les, les, les les parents disent qu'il n'a pas l'argent pour payer. C'est vrai, là aussi, il faut vraiment un peu de retenue parce qu'il ne faudrait pas que cette brèche qui est ouverte puisse conduire automatiquement, n'est-ce pas, à la privatisation de l'école publique. Moi, je pense que là, c'est dangereux. Si ça tend vers cela, nous, nous allons nous désolidariser et combattre cette question. Maintenant, nous savons aussi que vraiment pour avoir les, les, les, les, savoirs, ça nécessite un coût. Un coût, même s'il est moindre de 1000 francs ou de 2000, Là, je vous dis, tant que, tant que nous, à notre niveau, nous savons, c'est à nous de partir vers nos parents, c'est à nous de savoir, c'est nous qui connaissons comment motiver nos parents à donner l'argent. Parce que si on vient, on explique, même si les parents, ils est pauvres, n'est-ce pas Si on revient, si l'élève revient à l'école, il explique à son père ou à sa mère, n'est-ce pas, ou à son oncle, ou bien à un membre de la famille pour dire à l'école, on nous a demandé 1000 francs ou 2000. Dans les centres urbains, ça, c'est des choses, n'est-ce pas, qui n'ont aucun impact, qui ne créent pas de problèmes. Mais honnêtement, dans les, zones rurales, mmh. c'est des problèmes parce que là-bas, même avoir 1000 francs les plus souvent, c'est un problème. C'est pourquoi il faut tenir compte, n'est-ce pas, de, ce que nous, nous préconisons. Il faut tenir compte des revenus des familles en fonction également des zones. Nous savons que les réalités sont totalement différentes dans notre, dans notre pays. Et lorsque, toujours dans le cadre des perspectives, des perspectives-là, lorsqu'un climat de confiance est instauré entre les élèves et l'administration, moi, je pense que c'est des situations qui ne vont pas et, du tout être euh, difficiles à gérer. Mais, mais il faut que ça soit clair à cause du COGES, nous, nous n'allons pas accepter à ce qu'un élève soit empêché de prendre, de prendre cours. C'est de continuer à insister, à insister, à expliquer à l'élève la nécessité de convaincre son parent pour donner la cotisation, pour pouvoir vraiment construire les classes en période, peut-être envisager la, la, clôture de l'établissement, acheter les manuels, scolaire etc., etc. Mais franchement, à cause des, des COGES, nous pensons que les mauvaises pratiques qu'on a l'habitude de faire, de chasser ou d'empêcher à l'élève de prendre cours, ça doit s'arrêter. Merci beaucoup. Monsieur Lawale Abdo, directeur euh, d'appui à la gestion des établissements d'âge au ministère de l'Éducation nationale. Quelles sont aujourd'hui les actions du ministère pour réussir à relever ces défis allant dans le sens euh, du bon fonctionnement des CGDS et des COGES Vous avez expliqué qu'il arrive euh, justement que des chefs d'établissement conditionnent la distribution des fournitures scolaires offertes par l'État au paiement de ces cotisations. Ce n'est pas normal. Parfois, il arrive que des parents n'ont pas euh, les moyens financiers pour pouvoir euh, contribuer à la hauteur des attentes. Qu'est-ce que vous vous recommandez ainsi que les actions en cours pour améliorer tout ce qui est en œuvre et est-ce qu'il vous arrive de sanctionner un chef d'établissement parce qu'il n'a pas respecté la réglementation, tout ça Moi, je dois quand même euh, dire à M. Ibrahim que c'est un abus. Lorsqu'on dit euh, à un élève qu'il n'a pas accès à, l'école parce que simplement euh, son papa euh, n'a pas payé les cotisations, le, des membres. Ça, c'est un abus, c'est interdit, c'est contre les textes. Mhm. On ne doit pas conditionner cela par euh, le fait qu'il paye d'abord mm. pour y accéder. Non, ça c'est un abus. Mm. L'éducation, l'éducation, c'est sacré. Hein. Mm-hmm. Il faut que les gens comprennent. L'éducation hein. Mais à l'Assemblée générale, ce qu'elle dit, c'est que quand on ne chasse pas, est-ce qu'on peut non, faire Non, non, non. Aucune assemblée générale mm-hmm. n'a ces privilèges de, de, de, poser comme condition le paiement euh, de cotisation pour accéder à. Aucune assemblée générale n'a ces compétences-là. Mais comment faire alors que... pour faire payer les parents d'élèves, euh, monsieur le directeur c'est, leurs membres. Il faut les mm. sensibiliser. Il faut les sensibiliser il faut les sensibiliser, il faut leur montrer la nécessité de payer, mhm. de, payer ces cotisations. Et ça, je pense qu'il ne faut pas lier ça euh, vraiment euh, à l'éducation. Donc, c'est un droit. Hein. Mhm. Comment on va faire une violation d'un droit pour juste faire un recouvrement. Donc mhm. ça, je pense que c'est un grand abus mhm. euh, et il faut quand même que les gens les dénoncent. Mhm. Ça, ce n'est pas, c'est contre la réglementation. Euh, aucun texte de CGDS ni de COGES ne, ne, ne, ne prévoit. La question de l'opacité a été également évoquée, monsieur le directeur. Oui, oui, en fait, Est-ce qu'il y a des sanctions au cas où vous constatez qu'il n'y a pas de transparence Ça, c'est aux, différents membres de les dénoncer, hein, des différents membres de dénoncer ces abus et les sanctions viennent après. Lorsqu'on va dire, par exemple, qu'un chef d'établissement a pris ceci euh, pour, les, pour, pour, les pour les cotisations, mais il faut les dénoncer. Il, y a, là où vraiment on peut appliquer la, sanction avant la sanction administrative. Il faut les dénoncer. Ça, je mm. pense que, euh, je, je me répète, c'est un abus. Aucun texte ne, fait exigence mhm. à, l'accès à l'école par le paiement de cotisation mhm. euh, de, de, CGS ou de COGES. Mhm. Ça, aucun texte Donc, en aucun cas, on ne doit aucun chasser un élève. Voilà. Euh, Maintenant, qu'est-ce que nous, comptons, nous, sommes en train de faire pour un peu répondre à votre question euh, Vous savez, les membres de CGDS ou de COGES ont un mandat de 4 ans. C'est des gens, et les gens oublient, c'est des gens qui, sont élus hein, par les membres. Donc, ils ont un mandat limité. Lorsque, par exemple, vous constatez que euh, un des membres est en train de faire des, abus, mais il y a des voies de, recours. Mm. Vous convoquez une assemblée générale pour informer la population du comportement de, cet élu-là. Mm. Je pense que euh, les parents d'élèves ont des possibilités, des occasions de remettre en cause euh, et de dénoncer certains abus. Puisque c'est eux qui les, élisent pour, un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois. Et on en a vu des membres des CGS ou des COGES euh, qui ont fait plus de 10 ans. Mhm. nous ça, c'est un abus. Ça, c'est un abus. Le mandat est de 4 ans, renouvelable. Il y a donc euh, trop d'abus, le une Il faut les dénoncer. Est-ce que vous avez un appel pour terminer Oui, pour, terminer, je dois dire la chose suivante. Certains abus sont liés au fait qu'il y a un manque de formation chez certains. Mhm. Il y a beaucoup qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire ou ce que les textes ont prévu. Mhm. Nous sommes euh, présentement en train de faire de formation mm. des membres de CGDS mm. qui, par rapport à la planification, à la, au fonctionnement et même à leur rôle mm-hmm. en tant que membres. Parce qu'on euh, a comme l'impression qu'il y en a qui ne connaissent pas leur mission. La mission des, membres de CGS et des, COGES, là, ce n'est pas seulement la gestion des cotisations. Hein. Mm-hmm. Non, ils ont le droit de regard sur la gestion entière de l'école. Mmh. Même les fournitures qu'on amène à l'école. Ils ont le droit, ils ont les mmh. les, membres, représentants de, de l'USN a le droit d'aller regarder. Qu'est-ce mmh. qui, qu'est-ce qui est amené au niveau de l'école Les bons fonctionnements de, l'établissement sont, ils ont un droit de regard. Et donc, leur, leur, fonction, on a parce que tout simplement, <laughs> peut-être c'est autour du co de, euh, de, cotisation qu'il y a des petits, là où là-bas, il y a les bousculages où on fait trop de bruit. Mais leur mission, et nettement au-delà de ça. Mm, c'est la gestion hein. entière de l'école, mm-hmm. c'est la qualité de l'éducation qu'il faut chercher à travers. Et je pense sincèrement que c'est peut-être ici au niveau <laughs> de la capitale qu'il y a trop de bruit autour de ces mm-hmm. questions-là, où les gens, bon, euh, pour les euh, questions des de, sous, les gens se bousculent pour faire des abus, etc. Mm-hmm. Mais, mais, mais ailleurs, allez-y. Dès que vous, vous, allez dans une école, la première personne qui va vous accueillir, c'est un membre de CGS ou de COGES. Mhm. Ça, ils font vraiment un travail de qualité pour améliorer la qualité mhm. de l'éducation. Parce que leur mission va au-delà du, Et vous encouragez cela. Merci beaucoup, on vous a bien compris. Monsieur Mamadou Baba Touré, représentant de l'Association nationale des parents d'élèves, que recommandez-vous en vue d'une meilleure participation des comités de gestion des établissements scolaires COGES ainsi que des comités de gestion décentralisés des établissements scolaires CGDES dans la gestion des établissements scolaires publics partout au Niger. Ce qui manque, c'est la transparence. Vous ne pouvez pas mobiliser un montant et vous ne savez pas la situation. Mhm. Normalement, quand vous prenez, à la fin de l'année, il faut faire un bilan. Mhm. Voilà un bilan. Nous avons pris telle somme, nous avons telle activité, vous avez exécuté telle activité, ça nous reste telle activité, mm-hmm. et voilà, les parents seront édifiés. Mm-hmm. Et quand vous faites un bon travail, demain quand vous demandez, les parents ont le courage et la volonté de donner. Mm-hmm. C'est ce qui fait que parfois vous voyez dans les établissements, il y a une réticence de cotisation parce qu'il n'y a pas une transparence. Certains établissements, on renvoie ton enfant parce que il a payé, il n'a pas présenté le récit, on dit qu'il ne compose pas. Mm. Ça, comme le docteur a dit, ça ne se fait pas, c'est interdit, mais certains abusent. Mmh. C'était responsable. Le représentant du ministère de l'Éducation nationale nous a expliqué que ça ne se fait, ça pas, fait puisque c'est lui qui contrôle euh, tout ça, la gestion. Mais nous, on a beaucoup de plaintes par rapport à ça au niveau de notre mmh. association. Est-ce qu'il vous arrive de constater qu'il y a des élèves qu'on chasse Plusieurs fois. Mmh. Plusieurs fois, des élèves ont été chassés à cause différentes de Et, Et que faites-vous à, que... cause des mêmes logos, logos qui n'est même pas. à part les tennis, on dit qu'il y a des logos qu'on vend dans l'établissement. Quand un enfant n'amène pas le logo, l'accès même à l'école est interdit. C'est pas normal. Tout ça, c'est des habits. oui, c'est des hum. habits. Il faut aller doucement avec les enfants, il faut aller doucement avec les parents, il faut sensibiliser. Hum. Mais, toujours on dit, pour être membre du bureau de COGES, il faut être vraiment une personne active et qui volontaire, mhm. volontaire. C'est du bénévolat. C'est du bénévolat. On ne vient pas dedans pour s'enrichir. Non, on ne veut pas. Merci. Nous sommes au terme de l'émission, mais le directeur d'appui à la gestion des établissements d'âge au ministère de l'Éducation dit qu'il veut expliquer quelque chose. Oui, monsieur le directeur, rapidement, s'il vous plaît. Oui, en fait, ce que j'aimerais euh, juste ajouter, au titre de cette année, l'année académique écoulée, mhm. est euh, coulée, les IGES et les COGES ont cotisé plus de 3 milliards 457 millions 896 000. Mhm. Ça, c'est leur cotisation pour l'ensemble du pays. Merci beaucoup. Merci. merci. monsieur le directeur euh, d'appui à la gestion des établissements au ministère de l'Éducation nationale, qui a donc terminé en saluant les efforts des parents d'élèves euh, dans le cadre de cette promotion d'une éducation de qualité partout au Niger. C'est donc une affaire de tous. C'est ce que nous comprenons donc pour euh, terminer. Nous disons merci à nos invités. C'était M. Laoli Abdo, directeur d'appui à la gestion des établissements d'âge au ministère de l'Éducation nationale. Mamadou Baba Touré, il est le secrétaire général de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants ANPE et Ibrahim Abdoulaye, le représentant du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN qui était également avec nous en ligne au téléphone à la modération de ce forum. Je suis Michel Deji. La technique a été assurée par Abdulkader Chombiano. Merci de nous avoir suivis. Je souhaite à toutes et à tous de passer une agréable soirée. Au revoir.